Macky Sall et le président de Wade dans quelques instants. Un communiqué conjoint qui va être lu par Mayor Faye, le chargé de communication euh, du Parti démocratique sénégalais, euh, qui a travaillé sur le texte certainement avec euh, Seydou que vous voyez, le ministre Seydou Gueye. Je vous parlais, Oumoubalde Baldé, tout à l'heure, donc les échanges, euh, les derniers échanges auxquels on prit pas Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, merci euh, de votre présence pour euh, couvrir cette rencontre ce samedi 12 octobre 2019. Rencontre entre Son Excellence le Président Macky Sall et le Président Abdoulaye Wade. Monsieur Mayor Faye, chargé de communication du Parti démocratique sénégalais, va nous donner lecture du communiqué conjoint, à l'issue de la rencontre. Il nous livrera une petite synthèse en Wolof. Merci. Maïro, vous avez la parole. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je vais vous lire la déclaration commune à l'issue de la rencontre entre le président de la République, son Excellence Macky Sall, et le président Abdoulaye Wade, tenue ce samedi 12 octobre 2019 au Palais de la République. Le président de la République Macky Sall et le président Abdoulaye Wade se réjouissent de la rencontre toute empreinte de fraternité et de sérénité. Le président Macky Sall et son hôte le président Abdoulaye Wad, ont tenu à remercier vivement le Khalif général des Mourides, Serine Muntaha Bachirou Mbake. qui les a invités tous les deux à l'inauguration de la grande mosquée Massal Dinan, facilitant ainsi leur rencontre en sa présence. Au cours de leur entretien, les deux autres ont fait un large tour d'horizon de la situation politique nationale, caractérisée par les questions relatives au processus électoral, au statut du chef de l'opposition, qui seront reprises dans le cadre du dialogue national. Le président Abdoulaye Wade a fait et recommandations au président Macky Sall pour qu'il déploie tous les efforts nécessaires à la maîtrise de la gestion du pétrole, du gaz et des autres ressources naturelles. Les deux autres ont également abordé la situation sous-régionale et africaine dominée par des enjeux sécuritaires constatant leur parfaite convergence de vues sur la question. Ils s'engagent à unir leurs forces pour le retour de la paix et la consolidation de la stabilité. Ils exhortent tous les Sénégalais et tous les Africains à cultiver la paix en privilégiant le dialogue et l'intérêt de l'Afrique. Et enfin, en se séparant le président Macky Sall a tenu à remercier chaleureusement le président Abdoulaye Wade pour avoir accepté de se déplacer pour venir le rencontrer. En retour, le président Abdoulaye Wade a exprimé toute sa gratitude au président Macky Sall de l'avoir invité au Palais de la République avec tous les honneurs. Et enfin, le président Macky Sall a promis au président Abdoulaye Wade une visite retour à son domicile à une date à convenir. Je vous remercie de votre aimable attention. Fait à Dakar le 12 octobre 2019. ñu tënk ko rek ci wolof Tay, président de la république Macky Sall def le président Abdoulaye Wade dañu daje daje bo xam am nañ ci mbégte ci nañu daje bi euh, ci xaritoo ci doomu ndayo ci baay ak doom ak ci sérénité la ñu defee boobu daje tey le président Macky Sall ak le président Abdoulaye Wade ci njalbeen li ñu jëkk a def mooy gërëm bu baax le xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg sa wér bi nga xam ne moom moo xalaat woowandoo leen ci ubbite jumaay Masaalikul Jinaan bi fi amoon jamono bële fexe ba ñoom ñaar ñu daje waxtaan ci loo xam ne moom moo ko sooke ci teewaayam ca keneen raxu leen ci waxtaanu tay bi ñaari président yi waxtaan nañu ci ponk yi nga xam ne ñoo jàpp ci situation politique réew mi yi nga xam ne bëri na waaye mën nañ ci jàpp rek question yi nga xam ne ñoo lié ak li ñuy wax processus électoral bi lu jëm ci statut du chef de l'opposition ak yeneen ak yeneen yoo xam ne jàpp nañ ne bis naka tey daañu ko dugal ci li ñuy wax dialogue national bi waxtaanee ko foofu pour sénégalais yépp joxe ci seen xalaat le président Abdoulaye Wade def na itam ay recommandations yu am solo yoo xam ne daf ko defal kii di le président Macky Sall pour que moom ci li ko yàlla dénk muy nguuru Sénégal mu euh, déployer moyens yi mu am yépp ak effort yi mu am yépp ba nga xam ne lii ñu bokk muy pétrole bi muy gaz bi ak yeneen ressources naturelles bi. Nous avons ko téyee baax mu gën ko Sénégal itam abordé nañu situation wu sous région bi abordé situation également suñu continent continent africain di nga xam ne tey bëri na ay enjeux yoo xam ne ay enjeux nous nga ne nemmeeku nañ ne euh, amul am ci question yu ñu dem daje ñom ñaar ñëpp engagé wu nañu pour bolé sen force sen ay doolé ak sen xalaat sen relation ak sen man man pour consolider jamm ji consolider aussi la stabilité ñi ngi ñaan également sénégalais yépp góor ak jigéen ak africain yi kenn ku nekk di jëmbat jàmm ñu jiital également waxtaan ci intérêt Sénégal mais aussi ci intérêt Afrique laata ñuy séparé wu le président Macky Sall gërëm na bu baax le président Abdoulaye Wade ngir li mu accepté déplacé wu ñëw fii ci palais de la république daje ak moom pour waxtaan. ci wàllam itam le président Abdoulaye Wade moom it wëlbatiku na gërëm bu baax son excellence le président Macky Sall bi nga xam ne moom moo ko invité fii ci palais de la république ba nga xam invitation boo xam ne daf ko def ànd tous les honneurs de la république euh, ci bi seen waxtaan di jeex. muy waxtaan bu yàgg le président Macky Sall nee na président Abdoulaye Wade balay yàgg danañ jàpp man ak yow date boo xam ne dinaa ñëw sa kër seet la ñu continuer suñu waxtaan maa ngi leen di gërëm bu baax ci seen attention loolu la ñu waxtaane ñaari président yi euh,